la ca Macky Sall jublu dafa tënku ci benn plan boo xam ne lu ñu lal la ci biir police ak gendarmerie Antoine Diome coordonné ko ñu ne faaw rek ñu fexe ba ñi wër Ousmane Sonko ñu fexe ba tasaare lañ li muy njëkk a tekki mooy yemuñu ci ragal ma rek ci politique waye malgré ni ñu yor yépp nak ci armée ak ci ngannaay sama quelques éléments de sécurité yi daf leen jaaxal ñaareel bi ci djublu moy japp ni suñu défé lool dina taxawal suñu doxalin ñun na ci li ñu door muy ko tour moy dem dajé askanu Sénégal waxtaan ak ñoom ñetteel moy papatal xafxatal nit ñi ba kenn dootul ñeme jege Ousmane Sonko waaye may yëgal Macky Sall ni ci ñetti fànn yooyu yépp nag lajj na ni mu lajjee ci pexeel Ousmane Sonko bi muy Macky Sall ba tey jii lajj na ndax moom dafa xam lan mooy sama sécurité sama sécurité ñii taxaw ni ñoo ci gën a néew ñi taxaw ni ñoo ci gëna a néew te ñii taxaw ni xaaliss bu ñuy ut taxu leen a ak Ousmane Sonko way dañoo gëm projet bi ñu bokk bokku ci ni ci militant yëpp bokké motax ku yaakaar ni mën nga leen a xoqatal ci ay jàpp yu ñàkk fayda da ngay sonal sa bopp ñaareel bi dama ne ñoom ñoo ci gën a tuuti ñun amuñu problème sécurité waaye li ñu xam mooy man sama sécurité ay milliers milliers milliers de jeunes sénégalais su ma woote woon léegi fii ay milliers milliers milliers jeunes sénégalais ñooy ñëw kon sama sécurité kenn mënu koo tas ñetteel bi mooy nemmeeku tuur bi mënuñu ci dara bu sax semaine bii ñuy dugg ñu continuer.

te li ko andi mooy xam nañ ni li ñu yëkkati woon foog ni mën nañ cee pexeel Ousmane Sonko gis nañ ni loolu du mujj fenn fenn fenn fenn te dinaa ci ñëw bi si kanam ndax seen complot mois de mars 2021 la lacc moo tax barki dem ma ne Sénégalais bu leen génn bu leen xuloo dem leen toog maa ngay dem uyu ji wax fa samay dëgg ñëw toogaat tool ak ñu ànd def suñuy activité kon bi ñu xamee ni loolu du mujj fenn seen pexe yépp mooy lu ñuy def ba dossier bi jur yeneen dossier façon provocation bu ne dañ ko def ci jamono yi pour am lu ñu génne waat lu bokkul ak loolu bu leen fàtte nii mois de mars 2021 bañ may jàpp yu bëri la ñu lañ ma lañ ma bindaloon ci dossier bi trouble à l'ordre public et appel à un regroupement non autorisé ñu génn ci loolu daal di appel à insurrection et xawma menace sur les institutions Yo, yep, mi ngi ñu bind

mais ay terroriste lañ tuddee leen force spéciale ay force spéciale su fi amoon gis nga pasteur su décidé woon yëkkati force spéciale Macky Sall jël na avion bu yàgg dem ñu tuddee leen force spéciale te dossier yooyu yëpp may tudd nag dinañu fexe ba am ñu ñu tiiñal waaye yokk ci benn x boo xam ne ñëpp xam nañ ni x boobu Ousmane Sonko lañ ciy wër kon ñi ngi ci pexé yo xamné dañuy lal yu bari né fo jaar nag dina am benn bu jall ma dalal xéñu Macky Sall benn du jall benn ci ay pexé du jall xalé yu japp nak ku juggé kërëm and ak sécurité ak réew mi ni mu mel ak dëkk bi ni mu meloon dem dem uyu ji tribunal yéeg ak ñoom ba buntu juge and ak avocat am dugg ci bureau juge génn ñu ne ko sa sécurité kidnappé lañ leen yóbbu leen mbuur loolu ay méthode du pays stalinien yooyu la du méthode sax réew bu am def démocratie te procureur mbuur waxul dëgg yàgg naa wax ni principal problème mu Sénégal mooy justice bu Sénégal di tàkk justice moo koy taal te principal bras politique Macky Sall tey mooy justice Macky Sall amul dara mënul dara. tële na ci ay adversaire am man de mënuluma dara ci kàttanu yàlla waaye toujours benn pexe la am te koy jaarale ci justice te naa ci ñëwaat bu si kaname waaye ñi mu jàpp defuñu dara ñooñu man mii lañu àndaloon parce que société ñu ngi ciblé mooy ñi gën a jege Ousmane Sonko ñi nga xam ne doo gis Ousmane Sonko mukk te gisoo leen ñaar ñi ci gannaaw ñaar ci kanam ñooñu bi incident di am mën nañu àndaloon parce que ñooñu du ñu bàyyi seen leader dem di dàqanteeg ay nit ak lu mun ci am ñun si suñuy liggéey ñooñu toujours ñoo may wër man waaye jàpp ay nit kidnappé leen yóbbu leen dugal leen ci benn néeg daa wo woo des plaignants ne leen identifier leen ñii la ñu né waaw ñi la mu jóg taxaw mom procureur nek juge parce que dafa né formellement identifié comme étant coupable procureur day poursuivre rek du moom mooy juger waye lool moy justice Sénégal aujourd'hui tol nañ fo xamné suñu mbokk magistrat yi nañu moyetu suñu waxé ñu génn di def ay déclaration di waye waaye ñu dëkk bi de làqatu ci gannaaw justice damay def sama liggéey mu leer ni yoon lii la wax nga wàcce ko fi dem def leneen bis bu réew mi tàkkee doo ci mucc de nañu moyetu nañu moytu di yee fitna parce que mami Macky Sall moomul réew mi danañu jiital yàlla seen liggéey te bu soobee yàlla dinañ bàyyi xale yooyu parce que defuñu dara Pastef lan lañ ko fi deful song nañ suñu siège ak ay jaase gaañ ci ay xale ñu déposé plainte ñu denc plainte bi rey nañu suñu jigéen Mariama Sagna ba léegi teg nañ ko fële dóor nañu suñuy nit damm nañ ay loxo rey nañu suñuy ndaw yu bëree bëri bëri enquête sax ubbiwuñu ko barki démb dégg ngeen bi waa Amnesty ñëwee fii exiger ñu def enquête waaye bis bu ne ngi pexeel te waa dëkk bi yëpp laay waxal nag jiital ci kilifa yi. parce que kilifa yi waruñu di intervenir lu dul Macky Sall sukk na fii léegi sàll Sall ko ba mu sukk rek kenn du intervenir waaye moom mën na xëy di dóor nit ñi di duma nit ñi di def lu ko neex kenn du wax ci loola réew du doxee noonu nañu jiital dëgg ñun ñëpp lu ko may rek fi ñu jëm du baax am na lu xewoon ci réew mi ay kilifa sàkku ñu ñaan ñu. te jamono yooyu ñëpp xam nañ ni pouvoir bi daanu woon na ñu nangul leen ko teg seen loxo ñu laaj ñu teg seen loxo lan mooy suñuy jàmbat ñu teg ko seen loxo ba léegi dégguñu ci dara ci diggante gi waa ji dem na waajal boppam jënd ay ngànnaay waajal boobu ba léegi mu ngi daal ci kaw nit ñi waaye ñun xanaa dañuy tënk suñu loxo bàyyi ki ñu jàkkaar loolu nag moom ay loxom libre muy dóor nañu sétat réew mi ndax nak lu ëpp touru de ba tax nak ñu wax ni bu soobé yalla dal leen té wañi wuñu dara ci suñu karangé ñun ndax ku gis li ma wër xamni manké wu ma sécurité dañuy perdre sen temps rek nee nañu opération bobu ñu ko tuddé bay bu sonné mat lolu moy code bi bir police moy nañ leen di provoquer di leen provoquer di provoquer Ça yi ñu demee ba sës rek dinañu agir Ça yi ñu agir rek ñu jàpp leen moo tax ñu dem ba ci ki jël koo xam président say liggéey Macky Sall la àndal mu jël ay ndawam ñun ñëw nañ ci dëkk waa dëkk bi yëpp génn teeruñu comme niñ ko defee Bob moo newoon suñu dernière étape wala suñu avant dernière étape def nañu des dizaines de villages ci département de Mbour Fuñu dem askan bi yëpp genn teeruñu ñu waxtaan ak ñom ci dal ci réew dem suñu yoon dem ba foofu ñu préparer coup yow ay nit bu ñuy di waxtaan sa newu ci doxal sa soxla fay dem uti di saaga nit ñi ak di sànni lan nga fay uti nit ñi def légitime défense boo leen attaqué te li ci ëpp ñoom ak dëkku ndaw ma dëkku parce que dañ fa am militant militant ndax ci ki législative commune de Diass ñoo ko gagné ci élection législative kon fo gagné ëpp ñu la fay nit ba di la fa songu lolu mo lan benn bi nga xam mom la bëggoon ubbé ñaarël bi moy li xewon demb wala benen bi xewon demb te jur li demb doyen des juges Maham Diallo woolu dama ma dem ndax ma fàttali ko man musuma baña uyu ji ndax ku ragal moy uy moy baña uyu ji waye rew sax bo xamne ne la amul kenn ko xamne mën nañ nga wo nga ne du uyu ji bama ma ne du uyu ji dañu respecté wul won sama droit mané ne du ma uyu ci waye bañ ko respecté donte wëlbati nañu mbir dama jog tranquillement sama kër le 3 mars ne mangi ngi wuyu ji ñu saboté mbir ma parce que xamoon nañ ni su ma demee gàcce lañ ciy jëlee ñu saboté mbir mi waa man waa Sénégal lay waxal démb xëy naa dem yoon bi ma bëggoon jaar le 3 mars ñu bañal ma ko yoon boobu laa jaar démb amul lu ci changé le 3 mars ma génn sama kër génn cité kër góor gi jaar Mermoz ne damay génn corniche dem tribunal ndax mooy yoon bu gën a gaaw pour kuy dem tribunal à partir de sama kër ñu ne duma jaare noonu faaw rek man ma jaar yoon bi ñu bëgg looloo indi woon coow 3 mars ak li ci tegu kon ñëpp xam nañ ko tooñ ndax suñu ma bàyyi la le 3 mars heure bi dossier bi pare nañ ko bu yàgg dem bi ma xëyee sama kër même yoon bi laa jaar amul benn différence kon lu tere woon ñu bàyyi ma ma jaar yoon boobu le 3 mars lan moo ko terewoon kon ñoom ñooy di yee fitna ñoom ñooy di andi ay problème man en tant que citoyen sénégalais buñ ma woowee am naa jaar fu ma neex am naa droit jaar fu ma neex li am solo mooy suñ la nee midi na la fekk tribunal midi na la fekk tribunal waaye su ma neexee ma jóge Mbuur sax wala ma jóge Thiès di daagu di ñëw waye midi lañ ma wax naay ga tribunal midi naay ga tribunal suma ma damay jaar buntu université nañ ma bàyyi ma jaar buntu université suma ma damay jaar centenaire nañ ma bàyyi ma jaar fof parce que démocratie lañu nek te kenn notifié wu ma itinéraire ne ma fi nga wara jaaré bu loolu weesoo nak dem nañ wuy ci jamm ni ma ko waxoon sénégalais ñibisi ci jamm fanane suñu kër ci jamm ndax nak né na len dossier bi du ngeen ci mës dégg tejj nañ ci Ousmane Sonko de du ngeen ko mës a dégg du ngeen mës a dégg dossier bi tere na Ousmane Sonko nekk président de la République incha allah te lu ma leen mës a wax gis ngeen ko ba ñu demee wuyu ji doyen des juges ñetti laaj la ma laaj ñett wax ji bëri na ku nekk di inventé lu ne bind nañ ko waaye ñetti laaj la ma laaj gis nga interview bi su euh, audition bi su guddee maa ko guddal audition bi na durer 15 minutes audition bi mënoon na durer fukki minutes ak juróom ndax doyen des juges ñetti question la ma laaj mu paré substitut procureur né dafa am ay laajam mané ko duma tontu say laaj ndax parquet bo xamné ci complot la dëkk duma ko tontu te dina la wax fan ngeen complot yi na la ci jox ay preuves mu lem ay bagaasam toog ca la ca pare kon interview munoon na yem foofu audience bi munoon na yem foofu man maa ko yokk maa ko guddal parce que it li ma waroon wax il fallait ñu bind ko ci dossier bi lan laa wax doyen de juges te dinaa tëjee nag ay laajam li ma ko wax mooy dossier bii lañ ma ciy jiin dara amu ci ay kàcc ci neen la te yow doyen des juges yow bi ma inculpé boo amee ay preuve teg ko ci table bi parce que xam nga ak ak droit boo mën a jël muy droit canonique li ñuy wax droit wu diine diine chrétienne comme diine jullit muy sax suñu aada ñun muy droit bi ñu yor ki ñu ki tuumaal moy andi preuve way di ku ñu timal moy andi preuve suma ma ci bureau mu andi ay preuve tek ne ma li de wonene da nga def liñ la tuumaal kon wax ji jeex la bu yag waye amul ben preuve ben ben preuve bo xamne ne doyen des juges génne nako ko wala procureur ne liñ la tuumal li la amut du ben preuve du luñuy xol du luñuy deg dégg du lu bint

li ñu wax yépp weddi naa ko xawma lu niroog loolu waaye yow ma ci loolu de ma ne ko en plus de ça nag dossier bi ab complot la te complot bi ñi ci nekk diw ak diw ak diw ak diw la kon dossier bi ñaari branche yooyu la dama bëgg Sénégal yi déglu ma bu baax dama di kuñ doon jiiñ ba far tey man maa wëlbatiku di jiiñaate li ñuy wax l'arroseur arrosé man lañ doon jiiñ ba far man tey man maa walbatiku di leen jiiñ waaye senegal yi laa bëgg ñu déglu li may wax nii man mi ñu jiiñ ñoom andiwuñu benn firnde benn preuve ci liñ ma jiiñ man mi leen jiiñ dama andi ay preuve teg ko ci table bi lal laa leen jiiñ dama leen jiiñ ne complot la boo xam ne ñoom ñoo ko organiser su ma nee ñoom nag dinaa lim ay nit fii yoo xam ne ñoom ñëpp seen loxo dafa takk rëpp ci complot bi nee naa leen complot bi Serigne Bassirou Gueye ancien procureur de la République mu ngi ci daanaka moo ci ëpp sax ay ay agissement ki ko jàppale dëgg dëgg dëgg ci li mu doon def mooy commandant Abdou Mbeng tey defe naa colonel la waaye jamono jooju commandant la woon ka ca tegu te loxoom tax rëcc ci complot bi mooy général Moussa Fall nga xam ne tey moom la ñu dénk lépp luy gendarmerie moo tax mbir mi jaral ko lu ne fi mu ne nii gendarme yi ne woon ci bàmmeel sax génne nañ leen soxla leen tenue Moussa Fall ñetteel bi di maître Gabi soo maître euh, euh, fàtte naa bi waaye Gabi lañ koy woowee mom moy juromel bi nyuteki ñu tek ci maître Dior jañ bi nga xamné ne lañ ma wax soxna la ci Antoine Diome bu len fàtte ni Antoine Diome it lu ne mu ngi koy daj ci mbir bañ na ba mo dem jël ay ay wa bip ne moy moy moy moy ar ndaw sa diko rawale ma nga sali gannaaw suu mu nga Dakar gannaaw suu mu nga ñu tek ci Mamadou Mamour Diallo li nga xam ne loxoom takk na ci rib waaye ñooñ ñépp boo leen dajalee nag seen digganteeg Macky Sall mi ne ci gannaaw lu juge war a mën a lu ñëtu la teg ko fu ma teg nag li ma wax mooy yàlla dafa def ñoom bi ñu commencé ba léegi lu ñu nas rek yàlla génne loo xam ne foogewuñ ko déjà ci dossier bi rek ak niñ ko traité am na élément yu bëri yoo xam ne nekk na ci déjà naa ci dellu waaye yàlla dafa def bi li amee gendarmerie nationale ci njiitalu général Jean-Baptiste Tine comme coow li dafa bëri woon ba gendarmerie nationale jaxasoo ci mu am coow ci biir gendarmerie général Jean-Baptiste Tine qui nga le commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire a fait ñu def enquête interne pour leeral mbir mi bi ñu enquête interne nous dafa fait rap dafa rapport bi Macky Sall dégg ko ko Macky j'espère que c'est la seule copie de ce rapport mo wax len ni rapport bobu motax ñu dakk général tin andi général musafal ndax fi mu bëggoon rapport bi dem fi ko makki bëggoon yobbu general tin qui est un soldat digne dafa def ligéem correctement rapport bi dafa joxe ben procès verbal numéro 063 bar 4 bar HC bar CAB du 14 avril 2021. Affaire Capitaine Touré. Feuillet 1 à 18. ñaar Nidef def enquête colonel Omar Djoufle et colonel Crépin Arsène Sambou. rapport Bobo versé dans ko dossier avec accusé de réception faut ni rapport Bobu. Sénégal te patriote yi ñu ngi fépp seen tappale yi ñu nekk du mucc ni mu amee woon ci certificat médical bi ñu doon nëpp nëppal noonu la amee ci rapport bi noonu la amee ci yeneen ak yeneen rapport bi lan la wax ci responsabilité Serigne Bassirou Gueye mooy Serigne Bassirou Gueye bi mbir mi amee moom yitteem yépp mooy woon nañu fexe ba jàpp Ousmane Sonko ci saa si motax mané sénégalais ne sénégalais yéen réglé ngeen dossier bi ba ñu def li ñuy def mars 2021 askan yépp taxaw né du fi am bobu le dossier bi jéxé parce que buñu ma téggone loxo mars 2021 te tey jii ñuy toog ni di wax du fi nekk ma nga fële rebeus ñu jël sen temps dañuy def sen instruction parce que Serigne bassou Gueye limu mu commandant Beng, daf ko né je sais qu'il est trop fier dina ñëw waye bu excès rek euh, téye leen ko en garde à vue après déféré ko ñu door ko mandat de dépôt loolu moo ne woon plan bi te bu ñu fexoon ba làq ma nag du ma mën a taxaw fii di wax la ñu liggéey pour leeral Sénégalais du am kon fof lañu ñu kon mom dafa dafa dafa dafa it li tubaab naan obsédé dafa amone yitte bu rëy rëy ci numuy def ba tek Ousmane loxo ci numu gëna gaawé motax dafa mujj di parax paraxé japp enquêteur yi di len def pression bi capitaine Touré pare rapport dégg na nak ñu naan capitaine Touré mom la andal ak yu démé non wallahi ak aljuma bi ñu né capitaine Touré ben yoon la ko mësa gis moy bi mu ñëwee jox ma sama convocation ben yoon la ko mësa gis ci xamuma ko ko du démb du tey jii Sénégal nag ku am ngor am dignité rek ñu ne dafa am lu ne ci suuf waaye su doon loolu xam ngeen ni nguur lay àndal kon lii ko dal yëpp du ko dal dañu waxante dëgg mu def pression enquêteurs yi ne leen gaaw leen pare dossier bi ñu defee PV bi PV d'enquête yónnee ko ko lii mu ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax de moom moo delloo rapport bi capitaine Mbengue euh, commandant Mbengue ne ko changel rapport bi mu ne ko changel rapport bi ci ban anam ñaar anam benn ñaari anam yu garaaw a garaw bu ci njëkk mooy parti rapport yëpp parti rapport initial bi nga xam ne yëpp c'était à décharge pour man mooy parti rapport yi nga xam ne dafa doon fësal ni lii mënul am moom la le PV gendarmerie mom la def ni souligné ko en jaune ba paré né partie retranchée dans le PV modifié du 9 2 2011 et ayant fuité Moi, parti PV bi petit ci dossier bi nga xamné Bassirou Gueye petit la duggal ci dossier Fin fi nga xamné enquêteur yi commandant capitaine Touré ak capitaine djouk fi ñu amna lo xamne xam ne mënul ànd ak dossier sif ndax ku ñuy yow yaay organiser sif bi programmer ko xol état bi ka nga nekkalon ci biir nga ne ko génnal yow ya ko ne génnal kenn newul di génnal loolu tey na xel xel mënul nangu nit nit mun nañ ko sif ci anam gi ñaaral bi ku ne man dañ ma yone SMS bo xamne ne mun na compromettre waji ñu ne la ana SMS dañ nga leen ko preuve xamne mu ne mun dugal nit ñu yonne lako ko nga ne effacer nako ko bi ñi mu andalon ñu d'accord ni ñom ay fani fan ñi ngi taxaw ci buntu institut bi di di di xaar Ousmane Sonko ñew ak ñi ko fa jël ci lolu yépp ñu Serigne Bassirou Gueye ne génne leen ko ci PV bi parce que baxul day disculper day woné ni li mënul am procureur de la république buy def lolu faute très très grave là. parce que le procureur de la république a le droit d'intervenir sur le PV Moi, je suis le maître des poursuites c'est vrai mais enquête bi gendarme ont ñu autonomie parce que nous rek posé des questions, nous dem jëli les faits Ils rek ñoo war a mën def seen PV Quel du modifier PV même procureur araam na ci moom modifier PV Vous Gueye ci PV bi nga xamné mom la enquêteur yi def PV boobu mo nek ni quatre pages 4 quatre pages ak quelques annexes parmi lesquels certificat médical bi nga xamné ne na lepp ak audition yi loolu la woon Serigne Bassirou Gueye ne il faut me charger dossier bi lan la def dafa dem dugg ci ay site internet dem jël ay photo yu bon gis ngeen photo yi photo yi ngeen gis ni dem jël ay jigéen yu simmeeku Serigne Bassirou Gueye dem jël ay jigéen yu simmeeku daal koy dugal ci PV bi ne institut ba moom moo doon def annonce yooyu loolu foo la extraordinaire CV gendarmerie bi woné na ni li musul bokk ci rapport bi waye li gëna a neex samay avocat dañu ne juge d'instruction bi na def réquisition c'est police cybercriminalité xol ndax yi parce que amna ay numéro téléphone am adresse Facebook ndax Amna rapport ak institut bi réquisition yi génnee lu wax amul ben rapport jegewul sax procureur buy def loolu pour charger quelqu'un parce que lim ci doon ut te noonu lañ ko waxee ci PV bi noonu la ko capitaine Touré waxee ci témoignage am li mu doon ut mooy fexe ba ndaw see ñuy wax Ndeye Khady Ndiaye nga xam ne lu ne teg na ko ko tuuti mu rey doomam dañoo naroon assassiné doomam ñu fexe ba gëmloo nit ñi ni moom ab proxénète la da doon jaay ay jigéen mun a jaare foofu pour atteindre ma man li dama ko wax le juge d'instruction daal koy génneel des preuves teg jox ko rapport bi nga xam ne du lu ñuy laam qui moo tax ci fan yi fii lundi bu soobee yàlla dinaa déposé une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême ak devant ligage contre Serigne Bassirou Gueye parce que Serigne Bassirou Gueye ab criminel la tapale yi mu tappale mo jural senegal fukki bakkan ak ñent ci ay complot yo xamne procureur bok bok na ci ñu sum ñaarel bi moy lu doon def yef nak commandant Abdou mbeng la ko doon def lo parce que bi enquête bi paré ba capitaine Touré ak capitaine djouk di doon jappalé joxé commandant Mbengue da leen génne ci mbir mi verrouillé te mom nangu na ci PV gendarmerie bi enquête bi mom nangu na ni moom la Bassirou Gueye ne changer mbir mu changer ko li ma leen wax ni noir sur blanc la de mom nangu na loolu moo tax ma ne ci parce qu'il est complice parce que nit ak nu mu ti demee ak lo bëgg-bëgg carrière buñ la joxé ay instructions yo xamné dëppoowul ak yoon dang ko wara a bañ ñetteel bi moy général Moussa Fall général Moussa Fall ay fani fan bala bés bi ñu ne la mbiri am ba accusé quinze jours avant général Moussa Fall dafa yebal ay nit dafa yebal ben MDL chef té lool bi ci rapport bi te ñaari gendarme confirmé nañ ko yebal MDL chef directement commandant Abdou Mbengue ñu tëb toute la hiérarchie de la brigade de recherche daa di woo benn MDL ne ko demal bërëb sangam bo demee na nga surveiller bërëb bi parce que dañu wax ni diw da fa tej ben xalé bo xamné mineur la diko torturer mom commandant Moussa Fall kon mom bokku na ci ñi nga xamne ne du jiitu loolu ak gradam bi mu nek ak position bi mu nek tek na ben complot pour da fay fexé nu muy ootelee Ousmane Sonko pour japp ko te li nek na ci rapport bi waaye man mi di wax ak yeen MDL chef bobu ñew na ba ci man né ma man mi lañu yebalon fofu man mi lañu yebalon fofu

yàgg nañ koo tuumal nag ay complot yàgg nañu wax ni loolu mooy métier colonel Abdou Aziz Ndaw bind na ci lu bari ci livre am waaye lii lu ko firnde la moom général Moussa Fall Mamadou Mamour Diallo moom Sénégal yépp xam nañ ni takk na ci ndax mbañeel gi ma bañ ci ni ma ko yoolee ci ni ñu fexee ba escroquer

ku fekk ñuy sàcc nga yooxu ne ëpp sàccee ñu ne la bàyyi sàcc bi mu dem parce que yow yaa ko wax borom kër gi rek moo waroon yooxu ci loo xam ne suñu alal la ñun ñëpp sénégalais may député un député représenté sénégalais yëpp waru mun a wax ci turu sénégalais procureur ma ma def recours ci moom mu jël mbir mi teg ci tànkam waaye yàlla woo yàlla comme dama of saisiroon of OFNAC génne benn rapport rapport bi dina genn dina publier dañ ko genné ñëpp gis ko xam nga rapport bi lu mo wax néna li Ousmane Sonko yépp wax dëgg la escroquerie bu extraordinaire la ba paré laaj procureur né ko ubil ay poursuite contre Mamour Diallo ak ñi mu procureur bu bees bi mi ngi tek tankam ci rapport bobu Macky Sall daal di génne décret nommé Mamour Diallo and ak mom xaw fan ñuy signe melni ñu jaxlé Sénégal li mo fi am bala ngay and ak Macky Sall rek nekkal kat nekkal kat wala ngay reykatu nit mu contane nak daan lay nommé c'est extraordinaire li fi rek la mun a am ci PV audition yi nga xamné ne xadi def nako mom ci bopom néna bi mi biñ koy njëkk japp jàpp ko section de recherche Mamour dial da ko wo ne ko proposer na la 40 millions a changé sa version mu ne ko def mako mu proposé len ba version saa mu ne ko kon jox 200 la millions nga changé sa version pour enfoncer Ousmane Sonko ndaw si diñe ngoogu bëgg nañu rey sa doom proposé nañ la xaliss menacé nañ la toj nañ sa bopp jëkkër nga am sa dignité ne li duma ci dugg parce que du deug duma ci ànd kenn waye yeen la nak dégg ngeen enregistrement boo xam ne Mamour Diallo ak plaignante bi Adji Sarr ñoo toog di wax mu naan ko liñ la diggoon yëpp dinañ ko def bu procès bi rombee dinañ la jox sa visa ak sa passeport ak liñ la waxoon yëpp nga génn réew xam nga loolu du lu ñuy werante man li ma wax yëpp dama ay évidence la ay preuve te kenn tegalaguma benn preuve ci ñoom li ñuy wax moo tax ma ne dossier bi jeex na bu yàgg wax jee bëri rek maître Dabisso bi nga xam ne nag goro la ci Mamour Diallo gorom la maître Dabisso boobu bi mbir mi amee dafa ne moom yéegul tinul ñu dem ba ci biir mu ne 15 jours avant les faits recevoir naa xale bu jigéen bi jox ko ay conseil ñu doxati gynécologue bi bi mu demee doyen des juges intéressé ko ci PV bi dafa ne maître Dabisso moo ko woo la veille le premier ne ko est-ce que suba di nga nek Dakar mu ne ko waaw mu ne ko déglu le lendemain mu xey bo guddi waji woko ne ko dafa am xale bu jigéen bu am problème sàngam sàngam dama bu nga dem jëli mu ne man bëgguma woon sax waye dañ ko ne xale bi fi mu ne nii mi ngi diggante dee ak dundu so demul du baax comme médecin la bu ne suma demul mën nañ ma assistance à personne en danger non assistance à personne en danger mais ne ma demee ba foofu. biñ ma di len ndaw ci dama len ne ki la ki ngeen naan mi ngi diggante dund ak dee kon mom ci ñu rab affaire bi la ci diggante mak Mamour Diallo ak lu ñu séq te loolu mi ngi ci dossier bi juge bi gis nako maître Dior Diagne bi nga xam ne mooy Antoine diop yéen ñepp gis ngeen limu ñëk njëkk a tay mu andi problème ci bir baro bi ba tax duma ci sori waaye Sénégal yëpp gisoon nañ wax mbir mi naka la war a demee bu leen ko tëj bu leen ko jàpp na def nii dañ fexe ba procès am rek ñu fexe ba yàq deram ngeen bàyyi ko mu ñibbi mooy plan bi rek ñoom Antoine Diome moom moom ak keneen ak keneen waaye moom it seede am na ni bés ba moom moo àndoon ak ndaw si ne da ko yóbbu section de recherche ba fekk fa Ndeye Khady menacé ko ne ko da ngay dof doflu boo deful lii dinañ dinañ la rey kon moom it ci complot bi la bokk kon yii yëpp dañ koo andi ak ay firnde jox ko doyen des juges ne ko bindal jox ko papier yi koy wone ak preuve yi teg li gën a neex gis nga nee naa leen audience bi man maa ko guddal ndax mënoon na durer quinze minutes waaw may laaj sénégalais nak dossier bi ni mel yow jiiñ la nga jiiñaate li nga jiiñaate yépp nga am ay preuve yo tek te wax ko doyen des juges nee naa ko yow fi mu ne say enquête xam nga fan nga ko wara a orienté mooy ñi def complot bi te ci le upp ci limi def actuellement lool la parce que amul benen pexé ñu né ko ñi def complot bi fàttale naa ko li ñuy tuddee scandale Watergate États-Unis defe naa ñëpp dégg nañ ko lan moo mooy ñi yoroon nguur gi dañu nasoon benn complot contre opposition complot bi mujj éclaté waaye complot boobu moo mujj yóbbu ba président Nixon mujj démissionné ma ne ko foofu nga war a yóbbu comme euh, sa enquête ndax amoo dara ci viol amoo dara ci agression amoo dara ci menace de mort benn firnde bu ñu mën a tegal ci taabal bi amul léegi nag ku lay jiiñ mënul àndi preuve est yaa koy jox preuve ku la jiiñ mënul andi benn preuve benn question la ma juge bi laaj mooy est-ce di nga nangu joxe sa deret pour ñu def test ADN ñi kilifa yi toll nii yépp daje def seen complot ba ficelé ko. complot bi claté yàqu amuñu lenn lu ñu mën a teg ci table bi ñu ne man ma jox leen sama deret man Ousmane Sonko ñu yóbbu ko xaw ma fan daal di génn ne ah conclusion yi mooy lii may leen xanaa ngeen dem jëli deretu Bob Marley de sama deret man mii ilaa yow mi di du ngeen ci jot sama tuflit sax du ngeen ci jot waxuma laa sama deret parce que ñàkkuma fulla ba foofu su dee dossier bi yépp loolu moo ci des jox ñu sa deret ñu dem daje ak xaw xawma kan yóbbu ko ay France ak fu kenn xamul ñëw ne ah lii lii daje na wala lii dajewul kon de xam ngeen ni seen dossier jeex na ndax su dossier bi desee desee lu dul jox ma sa jox ma la na tëj dossier bi te ubbi dossier complot bi du am lu toll ni toq ci sama deret ndax benn su dossier bi sax doon dossier bu évident amul lenn luma teunk ci loi Sénégal pour mo joxe sama deret loi dafa nek nit parce que lolu du preuve du preuve bu mat motax loi imposé ko nit dafa ne nit ki su nexé su ko nexé mu joxe deretam su ko nexé du joxe dossier bo xamné dama eum deux ans plus tard wasin amul dama li fenni fenni fenn suñ ko génne woon dëkk bi <laughs> fenn dootul des ci dëkk bi nga naan nit ki jox ma sa deret ma ne doyen des juges sa juróom fukki xel bu mu xalaat ma jox la sa deret ma jox la sama deret comploteurs yi su dee nee nañ dañoo def prélèvement fan la président prélèvement bi dem Abdou Mbeng moo ko yor ak Basirou Gueye ñoom ñi doon complot yor seen prélèvement mën ko substituer lu leen neex mun def lu leen neex ñu ne ma jox ma ba ñu defee dañu yóbbu benn benn clinique koku ne leen def analyse parce que jamono ji amuñu produit loolu yëpp mi ngi dossier bi ñu wëlbatikuwaat dem wëri docteur bu jigéen kooku ne ah dinaa ko mën a def de waaye il faut ma yónnee ko fu koy defee te ensuite suñu amul luñ koy comparer mënuñu dem man ba jël sama jox ak Abdou ak des dossier bi foofu la jeexee jox ma sa deret du ma la jox sa deret sama deret dossier ba jeex na kon ñaareelu laaj bi ma laaj mooy ndax seq nga ak ndaw si dara ma ne kon je ne te permets pas nga poser ma cette question que ce soit la dernière fois du ma ko nangu ndax sama dignité ak sama intimité ci dossier complot bu mel nii mayuma kenn mu ciy wax man dans seize mois ñaan naa yàlla nekk président la république Sénégal boo amee sa preuve génneel boo amul toppal na li ñetteel bi mooy ndax reconnaître nga dem nga fa ak yan date nga fa dem ma ne ko sëñ bi man du ma toog ci mbedd mi fu ma dugg daal di bind date bi dugg naa fi daan naa fa dem moom wax naa ko ñëpp dégg ko waaye ban date la ban date ak ban heure ñetti question yi de la des juges posé amul benen ñetti question la poser amul benen la ca des yépp wax man feñ a ay preuve yu leer yu paré ñetti question yi la paré ci affaire bi bi procureur cadeau. day laaj may laaj sénégalais parquet bu vous ci complot bi est-ce que je war naa toog di question Nous les fangons. parce que administration continuité c'est le même parquet Nous avons des def sur la base de ce que Bassirou Gueye a laissé ici Mon dossier juge bu jaaree vous bu juge bés bi ma déglu lendemain la le clôturer dossier bi def classement sans suite parce que amul dossier et il le sait la ci dess yeb wax yaakar ni mën nga yak deru nit tay la gëna siw ci Sénégalais yi tey laa gën a dëgër tey am ndax biñu commencé wax ba légui ah suma ma fi gën gis té te ñaari élection jaar na fi té gis ngeen samay campagne kon ñi ngi sant yalla kon échec total la dégg na nak ñu wax ci lu bëri nénañu dama doon menacer juge bi man menacé wu ma juge bi de juge bi dama ko wax li ma ko wax dama ko ne Sénégal yi ñu nangu réew mi di tàkk ci benn acte magistrat parce que nag moomu leen nit ñi de moomu leen nit ñi de doxal yoon wax droit jàmm ne lu ko may nag su ngeen mi du

da gis dara am magistrat boo dajal ci ruq mu ne la li mu def du yoon de waaye xam nga rek avocat yépp xam nañu lii du yoon waaye ñun jàng nañu nag dofuñu man nu mu tuuti tuuti am naa DEA en droit am nañu ay avocat am nañu ay magistrat nañu bàyyi dunguru bu ñu nekkee ci Macky Sall te doxal yoon suñu bëggee jàmm am ci réew parce que ma waxaat ko moo tax ma yoon gars yi jotagul dem leen toog bu dee bëgg nañu taal réew mi rek nañu essayer def lu ñu warul def ci dossier bi dégg naa Macky Sall ku mu gis ne ko lu fi xewoon du fi xewaat lu ko raw moo fi xew nañu delloo ci seen xel te respecter Sénégalais yi réew mi tal na leneen nit ñi lekkuñu naanuñu nit ñi liggéeyuñu nit ñi fajuwuñu réew mi nit ñi sonn nañ ngeen xëy suba ba ngoon jot di complot pour ni ngeen liquider adversaire politique loolu ba kañ ay magistrat leen ci jàppale foo mu jeex wax nañu tamit nii xaw ma lan ay mystique ak lu ne man de ku ma xam-xamee moom mystique ki wóolul boppam mooy mystique ndax dañ duggee ci bureau ba ci suuf yépp ndox la woon avocat eh, bu jàll lii saafaral gars ne ko waa mais doyen ndox mi nu mu demee mu ne non est-ce ci toiture bi la jógee toiture bi de moo gënoon a fii est-ce que du ci bi la jógee bi ne ah non non clim bi la clim bi kenn taalu ko fu ndox di jógee gars ne noonu nañu xaar ba ñu fobeere man ma dox jaar ci kaw ndox li dem toog jàpp sama ñàmbur ndax man Macky Sall su dee xërëm rek la yaakaar du musa am dara ci man te teguma ko fenn

fàttaliku naa fateli fateli na ko nak ne ko man j'ai rien contre lui hein te dafa di juge bo xam ñi ko xamone demb ak barki demb nenañu ko ku jub la woon ku la démb ak barki demb la wax ndax gis nañ fi lu ne te dossier bi du dossier du n'importe quel dossier ndax Macky Sall bakkanam la ci teg nee ko xamna naa liñ la sante liñ la sant mooy même si le dossier bi amoo ci dara fexeel rek ba en procès mu un procès moral ndaw si ñëw taxaw ont fait la ma def la ma def nangam nangam ma la sant du sa yow xam nga ni du sa dara contre toi voyez le dossier bi koy février 2021, le dossier bi ne kët na nga publions sa page Facebook. benn article boo xam ne dañ ma doon saaga ci article est-ce que kooku jaadu na man ma ma wóolu ko koo xam ne joxaguñ koon dossier bi xamuloon sax ni nañ ko mus a jox dossier bi mu publier ci page Facebook benn article benn waayu Macky bu nekk France bu ma doon saaga man ak bu ma condamné ci dossier bi ñu teg ci ay neuf mois ñu woo ko moom jox ko dossier bi est-ce loolu war na dal suñu xel ñu ci Sénégal la ñu ne. ma ne ko sa digganteeg ñoom xam naa ko ndax xaritu Aïssata Tall Sall ba tuddee ko doom Aïssata Tall Sall moom bi affaire bi amee moo moo fi génne woon force spéciale force occulte moom ay Tall Sall ñoom ñaar duñu duñu réeroo xaritu Abdoulaye Daouda Diallo la bugguma dugg ci affaire u nett ku bandum sax waaye li xew yépp xam nañ ko ma ne ko mënuñu laa wóolu bis boo defee li nga war a def nag dinañ xam ndax mën nañ laa wóolu wala mënuñu laa wóolu lii moo xew démb ci bureau des doyens des juges amul leneen tegal nañ ko lii génne nañu lële ay feni neen ñetti question yi daal la ma waa laaj raxasu ci pare na ci affaire ba moo tax ñu ne ko dossier bi nag da koy continuer bokk na ci li nga war a def il faut nga déglu général Moussa Fall instruction day mat on instruit à charge et à décharge faaw nga déglu général Moussa Fall faaw nga déglu commandant Abdou Mbeng faaw nga déglu ki ñuy wax MC Niass ndax dafa taxaw publiquement ne moom am ci ay firnde yu leer nañ té génne na benn audio bu ñëpp gis faaw nga woo ko déglu ko ndax boy instruire

lii boo ko deful defoo instruction foofu matal xam nga ñële jeexal nañu ki ñëw jiiñ amul benn témoignage à charge contre man benn benn juge bi interrogé na lu mat dix mooy xanaa ña fa nekkandoog moom ay patron am ñi mu doon liggéeyandool ñépp témoignage à décharge ñépp dañ maa setal benn témoignage à charge amul ñu ngi am ay témoignages à charge contre eux yu bëré bëré bëré bëré motax mané koy fo ko foo nga déglu ñi ndax bo leen ñu defoo instruction para para xé jaxul jarul tepp fo nga déglu leen kon mbokk yi li lañu bëggoon ci Sénégalais yi parce que dossier bi, du dossier judiciaire dossier politique la motax bi mu doré ba légui dañ ko traiter politiquement suñu respect ci institution judiciaire mu nga yem ci suñu woowee ñu dem uyu leen waaye seen doxalin musul daal suñu xel bi ñu nekkee ci politique ba léegi justice dafa musa daal suñu kaw te musuñoo plainte ba justice traité ko musul am kon ñooñu mënuñu leen wóolu lii daal moo am démb amul leneen lu ci yokk moo wax ko sénégalais ñu dégg parce que avons une véritable justice à affaire bi te nañ ko ba je vais résumer en quelques mots ce que je viens de dire en français euh, j'ai commencé mon allocution en langue nationale par ce qui s'est passé hier à propos de ma sécurité rapprochée le procureur de la République de Mbourg et les forces de défense et de sécurité ont profité lâchement, parce que c'est une attitude très lâche ce qu'ils ont fait, de mon audition auprès du doyen des juges, ou par le doyen des juges, pour procéder à l'arrestation de six membres de ma sécurité. Et ce, sans remise de convocation, à ma connaissance. J'ai entendu dire que, par certains, je n'ai pas vérifié, que les convocations ont été remises au moment de l'arrestation. Ce qui n'est pas vérifié apparemment. Sans remise de convocation, alors qu'on n'est pas en face d'une situation de flagrant délit. C'est du kidnapping, c'est pas une arrestation, c'est lâche et c'est indigne. C'est une énième provocation pour essayer de déclencher des réactions de la part de notre parti et de la jeunesse sénégalaise. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de rester encore calme. Parce que cela participe d'un projet beaucoup plus vaste concocté, concocté au plus haut sommet de l'État, piloté par le ministère de l'Intérieur. Le nom de code de ce projet, je ne sais pas si je serai fidèle à la langue française, c'est que toute chèvre acculée finira par morte. La stratégie est très claire, c'est de provocation en provocation, tout faire pour nous pousser à réagir et en profiter pour créer des dossiers judiciaires. Puisque le régime en place, Macky Sall en premier, sait pertinemment que son complot a raté. Que c'est pas avec ce dossier fantoche de viol et de menace de mort qu'il va euh, régler ce dossier. Vous savez, le doyen des juges, tel que je l'ai vu, lui-même ne croit ne croit tellement pas à ce dossier qu'il ne m'a posé aucune question sur la les, menaces de mort. Rappelez-vous que je suis poursuivi pour viol et menace de mort. Aucune question sur les menaces de mort. Parce qu'il sait que c'est ridicule, c'est fantaisiste. Moi qui débarquerai je ne sais où comme l'éculique avec une artillerie pour menacer. Il n'a posé aucune question sur cela. Donc Macky Sall sait que ce dossier est morné qu'il est vide, qu'il ne correspond à absolument rien, à part essayer de jeter l'opprobre sur ma personne en nous déplaçant sur le terrain vulgaire de murs. Mais cela n'a pas payé. Parce que plus ils en inventent, plus je gagne en popularité auprès du peuple sénégalais. Et les deux élections qu'on vient de vivre en attestent suffisamment, puisque nous avons, nous avons quasiment la mine. Ceci pour vous dire que ce qui s'est passé hier entre dans ce cadre. C'est d'essayer de créer des dossiers dans ce dossier puisque ce dossier est vide. Je vous rappelle qu'en mars 2021, plusieurs procédures avaient été ouvertes contre ma personne. Attroupement non autorisé, trouble à l'ordre public, menace sur les institutions, appel à insurrection, parce que c'était la stratégie, c'était de partir d'un dossier, mais d'en ouvrir une panoplie en se disant qu'il y aura forcément un dossier qui va passer. Et qui va nous permettre, ne serait-ce qu'une condamnation avec sursis, pour l'empêcher d'être candidat en 2024. Eh bien, je dis à M. Makissal qu'il perd son temps, lui et sa justice. Ceux qui ont été arrêtés sont les membres les plus rapprochés de ma sécurité rapprochée. C'est ceux qui ne me quittent quasiment jamais, quelle que soit la situation. Vous pouvez visionner toutes les images, vous verrez qu'ils sont toujours avec moi. Ces messieurs n'ont participé à aucun affrontement. Ils n'ont participé à aucun risque. Et c'est à tort qu'ils ont été arrêtés. Sans identification ni preuve le procureur qui s'est transformé, lui, en juge, a même décrété leur culpabilité hier. Et vous venez prendre des gens qui sont ciblés depuis longtemps. Limousine, Momo, Petit Lamine, euh, Boy, Djao, tout le monde sait que depuis longtemps, ils sont ciblés. Ils sont sur les tablettes des forces de défense et de sécurité. Ils sont surveillés, ils sont filés du matin au soir. Nous le savons tous. Et ils ont profité de ça pour venir les cueillir, les mettre dans une pièce, appeler les plaignants pour dire, dites que c'est eux. Dites que vous les avez identifiés. Ils n'ont participé à absolument rien. Et ce qui s'est passé à Kiki relève de la légitime défense. Parce que nous avons été une énième fois attaqués nous, avons fait une tournée pour aller à la rencontre des populations. Nous n'avons agressé personne. Et nous avons fait des dizaines et des dizaines de villages dans le département de Mbour. C'était l'avant-dernier village de notre tournée. L'avant-dernier village. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Et là-bas, c'était planifié par une dame qui se trouve être de l'APR et travaille à la présidence de la République, qui a planifié une attaque en règle et nous n'accepterons jamais de nous laisser taper dessus, de nous laisser jeter des cailloux sans réagir. Mais le plus gros de la réaction, je vais vous le dire, c'est les militants de la localité. C'était pas ma sécurité parce que ma sécurité était autour de moi. Quand il y a des problèmes de la sécurité, fait bloc autour de ma personne. Et moi-même, de là où j'étais, je n'entendais les bruits que de très loin. Ce qui fait qu'on a poursuivi tranquillement les discussions que nous entretenions avec les populations. C'est à la fin qu'on m'a rapporté ce qui s'est passé de l'autre côté. Et beaucoup de membres de, cette sécurité-là étaient autour de moi. Ils n'étaient pas mêlés à ça. Je rappelle que nous avons plus de militants que dans, dans, cette zone comme presque partout au Sénégal maintenant. Parce que nous avons gagné Tiki largement lors de ces élections législatives. Nous avons gagné toute la commune de Dias. Et partout où nous allons, c'est d'abord nos militants et nos jeunes qui viennent nous accueillir et qui font bouclier. Et je veux rassurer Macky Sall et Antoine Diom qu'ils ne pourront jamais décimer ma sécurité. Ma sécurité, c'est pas seulement ce que vous voyez là. Et vous voyez que je suis bien encadré. Mais ma sécurité, c'est des milliers, voire des millions de jeunes Sénégalais. C'est ça ma sécurité. Je veux les rassurer également qu'ils ne pourront jamais interrompre ou handicaper la tournée nationale que nous avons démarrée. D'ailleurs, après ce petit répit, nous allons reprendre, s'il plaît Dieu, la semaine prochaine. Nous ferons les 46 départements du Sénégal. Nous ferons toutes les communes du Sénégal et nous ferons le maximum de villages du Sénégal pour aller rencontrer des Sénégalais. Et ce qu'on a déjà vu dans le département de Mbour est extraordinaire et dépasse toutes nos attentes. C'est ça qui leur fout la frousse que vous voyez actuellement. Parce qu'ils savent qu'on avait déjà conquis toutes les grandes agglomérations, toutes les cités urbaines. Mais ils se rendent compte que nous sommes en train de prendre le monde rural. Et c'est ça qui leur fait peur. Mais je les rassure, ils ne pourront pas arrêter cette tournée. Nous allons continuer le plus tranquillement du monde. Ce que je voulais dire ensuite, c'est par rapport à l'audition qui s'est tenu hier au bureau du doyen des juges. Ce matin, hier soir déjà, mais ce matin également, beaucoup de choses ont été dites sur ce fameux face-à-face. -face. Certaines sont vraies, beaucoup d'autres ne le sont pas. Je veux dire simplement que cette audition aurait pu tenir en 15 minutes. Ce qui dénote du manque de sérieux de, ce dossier. Un dossier qui a tenu en haleine le Sénégal depuis 18 mois. Un dossier qui a provoqué le chaos dans ce pays comme il n'en a jamais connu. Un dossier qui a coûté énormément au Sénégal en pertes en vie humaines, en biens matériels, en intégrité physique un tel dossier. Et tout le monde tenait son souffle et attendait ce fameux face-à-face entre Ousmane Sonko et le juge. Monsieur le juge, monsieur le doyen des juges ne m'a posé que trois questions. Trois. Pour vous dire vrai, en quittant ma maison, mon épouse m'avait demandé s'il fallait préparer le repas pour nous. Je lui ai dit non, je ne pense pas qu'on reviendra avant minuit. Cette audience aurait pu durer 15 minutes puisque le doyen des juges ne nous a posé que trois questions, j'y reviendrai. Elle a finalement duré beaucoup plus longtemps parce que j'ai pris le temps de développer mes arguments et de démontrer le, complot dont je suis victime au doyen des juges. Donc, au moins sur 1h30 minutes, c'est moi seul qui ai développé et qui ai présenté au doyen des juges mes arguments. Le doyen des juges m'a posé trois questions. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Mais j'ai démontré au doyen des juges en quoi ce dossier était un complot. Et je lui cité les acteurs du complot. La liste n'est pas limitative. Parce que si le doyen des juges daignait creuser encore un peu, ce dossier le mènerait tout droit vers Macky tout droit vers Macky Sall. S'il a le courage d'aller aussi loin. Les acteurs du complot, c'est d'abord l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou J'ai du mal même à mettre le mot procureur parce que procureur, la dignité d'un procureur ne doit pas permettre certaines choses. C'est ensuite son bras exécutant, le commandant Abdoumbeng, qui était le chef de la section de recherche en ce moment. C'est ensuite l'actuel commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, M. Moussa Fall, le général Moussa Fall, c'est monsieur Mamadou Mamour Diallo maître Gabriel Gabi So son nom revient maître Pape Samba dit Gabi maître Pape Samba dit Gabi avocat maître Georgian épouse du ministre de l'Intérieur Antoine Djom d'après ce qu'on m'a dit, elle aussi avocate. Et j'ai expliqué au-delà de ce qui existe déjà dans le dossier, parce que le dossier est à 200% à décharge pour moi. Il ne comporte aucun élément et aucune preuve attestant d'un viol ou d'une menace de mort. Aucun. J'ai dit aux doigts et des juges, si vous avez des éléments à charge, mettez-les sur la table. C'est le moment. Il y a une accusatrice. Je suis inculpé depuis 18 mois. Vous n'avez pas osé me convoquer. Aujourd'hui, vous le faites. On a calmé le pays. Et je suis venu tranquillement vous voir. Ce à quoi je m'attends, c'est que vous me disiez, Monsieur Sonko, à partir de la plainte et des investigations que nous avons menées, voilà des éléments à charge contre vous qui prouvent que vous êtes auteur d'un viol sur telle personne. Rien de cela n'a été. Le procureur, le doyen des juges ne m'a, en présence de mes avocats, n'a agité aucun élément de preuve. Aucun. Et donc, je lui ai dit, moi, lors de la, la première comparution, avec son prédécesseur, j'avais inscrit noir sur blanc deux choses. À la question, est-ce que vous reconnaissez les faits J'avais répondu, absolument pas, je ne reconnais aucun, je ne connais, je ne reconnais aucun de ces faits. Je n'en connais même pas. Et deuxièmement, je suis victime d'un complot organisé, préparé, exécuté par telle et telle et telle personne. C'est ça qui, qui était inscrit sur le dossier. Tu lui dit, le dossier a deux volets. Volet accusation, volet contre-accusation. Que chacun apporte ses preuves. Et puisque vous êtes incapable de me montrer ne serait-ce que le début d'une preuve, moi je vais vous donner mes preuves. Et je lui ai dit, concernant le procureur Serigne Bassirou il a comploté contre ma personne sur ce dossier. Et par la grâce de Dieu, parce que depuis qu'on a commencé ce dossier, je ne peux que remercier le Seigneur. Parce qu'à chaque fois et à chaque étape, il a permis d'accéder à des données et des informations qui ont mis en évidence un certain nombre de choses. Depuis la publication par je ne sais qui du rapport d'enquête compromis par Serigne Bassirou la publication du, du certificat médical établi par le gynécologue, jusqu'à maintenant, à chaque mois, à chaque fois, Dieu nous a permis d'accéder à des informations qui ont permis aux Sénégalais. Parce que ce dossier, c'est un dossier politique. Et ceux qui jugent un dossier politique, c'est les Sénégalais, c'est pas les magistrats. Ils ont beau s'agiter, mais c'est les Sénégalais qui jugent. Et c'est pourquoi les Sénégalais en jugent était sorti au mois de mars dernier pour dire ça ne se fera pas. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu accéder à un document qui est essentiel, essentiel dans ce dossier. De quel document s'agit-il Il, Il s'agit du procès verbal d'enquête interne de la gendarmerie nationale. Le procès verbal numéro 063 tiré 4, bar 4, bar HC, bar CAB du 14 avril 2021, intitulé Affaire Capitaine Touré, feuillet 1 à 18. Lorsque les choses se sont passées comme elles s'étaient déroulées l'année dernière, M. Jean baptiste qui était en ce moment le haut commandant de la gendarmerie, un bon soldat digne et loyal, avait ordonné une enquête et cette enquête avait été menée par le colonel Omar Daf, Omar Diouf et le colonel Crépin Arsène Sambou. Ce rapport, on l'a versé dans le dossier. Les conclusions sont sans appel. Et c'est pourquoi je crois que Macky Sall va avoir la surprise de sa vie parce qu'il ne sait pas que nous détenions ce document. Il paraît que quand ce document lui avait été remis, la première question qu'il avait posée, c'était « j'espère que c'est la seule copie ». Eh bien, ce n'est pas la seule copie. Parce que nous sommes dans un peuple de personnes dignes et de patriotes. Dans un peuple qui n'aime pas l'injustice. Ce que Macky Sall doit savoir, autant il est renseigné sur nous, autant on est renseigné sur nous. Même quand il prend son petit déjeuner, on sait qu'est-ce qu'il a mangé. Donc, il n'a qu'à arrêter ses gesticulations. Qu'est-ce que dit ce rapport Ce rapport dit que Serigne Bassirou procureur de l'époque, a travesti, a manipulé, a détérioré une pièce centrale dans un dossier, c'est-à-dire l'enquête préliminaire conduite par les capitaines Omar Touré et le capitaine Diouk, il a manipulé les conclusions de ce rapport pour y introduire des éléments à charge contre moi et y soustraire des éléments à décharge. Il n'y a rien de plus grave. C'est une forfaiture. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé, dès lundi, s'il plaît à Dieu, de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême et devant l'IGAGE contre le sieur Serigne Bassirou avec preuve à l'appui. Il a dénaturé ce rapport dans quel sens Un certain nombre d'éléments à décharge relevant des conclusions des enquêteurs sur la partie intitulée Réflexion sur les faits un certain nombre de décharges dans lesquelles les enquêteurs exprimaient leurs doutes. Comment quelqu'un qui se dit victime de viol répétitif peut-il demander aux autres personnes qui étaient présentes dans la salle de quitter la salle pour la laisser seule avec son bourreau Comment cela est-il possible Comment est-ce que une personne qui devait avoir été victime de viol répétitif avec menace de mort peut supprimer des messages qui, en soi, devaient être des pièces à conviction qui prouveraient ces accusations. À la question de savoir, vous dites que vous avez reçu des SMS de Sonko qui disaient ceci, où sont ces SMS Elle dit, j'ai supprimé ces SMS. Et les enquêteurs avaient dit, euh, qu'il y avait, comment elle a pu supprimer ces preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité. Ensuite, euh, pour une victime de viol répété, son comportement reste assez curieux. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne, sachant que cette dernière interdit formellement euh, euh des relations extra-professionnelles, ainsi de suite. Et ensuite, la partie où le dénommé Sidi Ahmad reconnaissait avoir participé à la préparation en montant le guet devant l'Institut pendant longtemps, toutes ces parties-là ont été censurées, enlevées du rapport par Serine Bassilougay. Je rappelle qu'un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule d'un rapport. Il est certes le maître des poursuites, mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs. Il n'a pas le droit de le modifier, de le censurer. Mais le plus grave, après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. Il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes mœurs. Des images attentatoires à la pudeur. Et l'objectif, c'était d'atteindre la propriétaire de l'Institut l'accuser de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre son goût. Et c'est pourquoi il est allé sur Internet, où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là. Toutes ces images-là, c'est Serine qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'Institut. Et ça, ça, ça ressort du document. Mais mieux encore, mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'Institut en tant que tel. Quand les résultats sont sortis, quand la cybercriminalité a fait ses investigations, il est apparu que ces images n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'Institut de Mme Ndeye ça, c'est très grave ce que Bassirou a fait. Ce monsieur est un criminel. Et c'est pourquoi je déposé une plainte. Parce que ses agissements, son complot, son acharnement à charger un homme politique ont coûté la vie à 14 jeunes Sénégalais. C'est très grave ce que Bassirou a fait. Le deuxième impliqué dans ce complot, c'est le commandant Abdou Beng, Parce que tout ce qui s'est fait, c'est à Abdoumbek que le procureur Bassirougué donnait des instructions pour lui dire enlève ceci, mais cela, en dehors de toute participation des enquêteurs eux-mêmes. C'est cela que le capitaine Touré a dénoncé. Cet homme est un homme digne. Je n'ai aucun lien, je le dis. Jusqu'au jour où le capitaine Touré est venu me remettre une convocation chez moi, je n'avais jamais vu ni entendu le nom du capitaine Touré. Je n'avais jamais vu l'homme, je n'avais jamais entendu son nom. Et depuis ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai jamais vu cet homme. Il y a des Sénégalais extrêmement dignes et qui nous rendent fiers, qui doivent nous rendre fiers tous tant que nous sommes. Parce qu'il a vécu des pressions. Le rapport a conclu, le rapport interne de la gendarmerie a conclu effectivement qu'il y avait des menaces sur la vie du capitaine Touré et que sa hiérarchie n'a pas réagi. Cet homme n'aurait pas dû mériter d'être exclu de la gendarmerie. Il devait être dévoré plutôt que d'être exclu de la gendarmerie. C'est ces injustices, ce complot qui était insupportable pour lui. Bien qu'il ne me connaisse pas, bien qu'on ne se soit jamais vu, mais en tant que patriote et un homme digne qui a prêté serment de servir le Sénégal et non pas des hommes, c'est ça qui l'a amené à dire non. Mais ce n'est pas des proximités ni rien d'autre. Et le troisième, c'est le général Moussa Fall. Il est établi dans ce rapport, le capitaine Touré l'a dit, le capitaine Djouk a confirmé en avoir entendu parler, que le général Moussa Fall, 15 jours avant les, les faits supposés ou les faits déclarés, parce que ça n'atteint même pas le niveau de supposition, eh bien, le général Moussa Fall avait instruit le commandant Abdoumbeck de dépêcher un MDL chef sur les lieux en leur disant qu'il a appris que je fréquentais cet endroit et qu'il y aurait une jeune fille mineure séquestrée là-bas et qui serait victime de sévices de ma part. 15 jours avant les faits déclarés. Et cette information est bien confirmée parce que pendant les six jours de ma détention à la section de recherche, entre le 3 et le 8 mars, un MDL chef est venu me voir dans la chambre qui me servait de lieu de détention et m'a dit, m'a confirmé. Il m'a dit, c'est moi-même qui avait été envoyé là-bas. Et quand je suis allé, je me suis débrouillé même pour entrer. Et quand je suis sorti, j'ai appelé ma hiérarchie pour leur dire que ce que vous dites ne peut pas se faire là-bas parce que c'est une grande, c'est une maison avec une famille qui y habite, des gens qui y travaillent. Je vois mal comment cela peut se faire là-bas. Comment un général de gendarmerie peut se permettre de telles pratiques qui déshonore son grade et son rang Il est membre à part entière de ce complot. Monsieur Moumoudou Mamour Diallo, lui, c'est l'évidence même, puisqu'il a appelé la propriétaire de l'Institut, quand elle était soumise à l'enquête au niveau de la section de recherche, pour lui proposer des sommes d'argent progressives jusqu'à atteindre 200 millions, je crois, en échange du changement de sa version. Qu'elle accepte de changer sa version pour me charger et pour euh, me désigner. C'est que la bonne dame a refusé. Voilà une dame également extrêmement digne qui a subi beaucoup de choses. Elle a failli perdre son enfant. C'est Bassirou Gueye, mais cet homme n'est pas, n'est pas humain, a envoyé des éléments de la gendarmerie pour leur dire de lui arracher son enfant qui était né prématuré. Et le médecin a dit, si vous voulez enlever son enfant, vous serez responsable de la mort de cet enfant. Comment un procureur participe à un complot d'État pour aller aussi loin. Mais en plus de cela, tous les Sénégalais ont entendu un audio identifié par lequel ou dans lequel le sieur Mamoudou Mamour entretenait une conversation avec la plaignante pour rappeler les engagements qu'il avait pris vis-à-vis d'elle de lui donner des documents de voyage, passeport, visa, de l'argent, lorsque cette affaire serait terminée, c'est-à-dire lorsque le procès se tiendrait. Et hier, j'ai dit au doyen des juges, j'ai posé la question au doyen des juges, est-ce que c'est vous qui avez promis aux gens un procès Parce que vous êtes le seul à pouvoir renvoyer un procès sur un dossier totalement vide. Et tous les gens de la paire, de la présidence de la République au plus petit militant, sont convaincus qu'il y aura procès. Nous savons les pressions qu'ils subissent, je vais, y revenir. Maître Gabisso, qui est le beau-frère de Mamour Diallo. Je rappelle que Mamour Diallo, il y a quelque chose qui nous oppose et tout le monde le sait, c'est que j'avais fait une dénonciation sur une escroquerie dont il est l'auteur avec ses complices portant sur 94 milliards. Personne n'oublie ce dossier. Et il ne l'a jamais, jamais digéré. Aujourd'hui, un rapport de l'OFLAC est sorti, parce que j'avais saisi l'OFLAC. Et le rapport a dit que, m'a donné raison sur toute la ligne et a demandé à ce que le, le procureur ouvre une instruction judiciaire et poursuive Mamour Diallo et ses complices pour escroquerie sur des milliards de nos deniers publics. Cet homme m'en veut à mort. Et c'est cet homme que Macky Sall vient il y a une dizaine de jours à peu près de nommer à la tête d'une direction nationale. Et c'est avec lui qu'on l'a vu sourire benoîtement à Popoguine, euh, comme des insuffisants mentaux, et, et, ça, pouvoir, euh, je ne sais pas, euh, nous atteindre ou je ne sais pas quoi. Vous savez, nous avons un, un présent, je crois, qui est revenu à, un niveau tellement puéril et enfantin. C'est que les Wolofs disent, faillant tout. Il fait des choses en pensant que ça va déplaire à tel. Il ne le fait pas parce qu'il est président de la République. Et c'est puéril, c'est enfantin. Et ce maître Gabisso, le médecin gynécologue, dans, son, dans sa déposition, a clairement dit que c'est maître Gabisso, qu'il a appelé la veille des faits. C'est-à-dire, vous avez vu, nous sommes en face d'un crime prémédité. Pas par le criminel, mais par les victimes. C'est unique dans l'histoire euh, criminelle du monde. Prémédité par les victimes. Maître So a appelé un gynécologue la veille pour lui dire est-ce que vous serez demain à Dakar Oui, je serai demain à Dakar. Restez à mon Le lendemain, à l'heure, oui, je veux que vous alliez à tel endroit, il y a une personne victime de viol, etc. Le monsieur a dit, je ne peux pas. Non, elle est dans une, dans une, situation critique entre la vie et la mort, etc. Le médecin a dit, pour qu'on ne me colle pas non-assistance à personne en danger, je me suis rendu. Et quand je suis arrivé, quand on m'a présenté la personne, j'ai dit, est-ce que c'est cette personne Parce qu'elle était normale, souriante, etc. Aucun signe de quoi que ce soit. Donc, ce monsieur est également, euh, et on le soupçonne même d'être le de la plainte parce que la plaignante qui n'a même pas le niveau de troisième secondaire dit avoir rédigé une plainte que même un certain nombre d'avocats ne pourront pas rédiger avec des articles très précis du code pénal. C'est une révolution. Il y a Maître George enfin, qui est l'épouse du ministre de l'Intérieur. Tout le monde connaît ce ministre de l'Intérieur, je n'ai pas besoin de vous le décrire. C'est le summum de la bassesse. C'est un homme qui tuerait père et mère pour la carrière. Je vous le dis parce que je le connais personnellement. Et son épouse est menée à ce complot. Rappelez-vous, dès les premiers jours de cette affaire, il y avait une information qui avait fuité et qui venait d'elle. Elle décrivait la procédure. Oui, ne le prenez pas, ne l'enfermez pas. Ça va brûler le pays. Il faut faire ceci, il faut l'amener devant, tout faire pour organiser un procès. Et puis, on va le confondre, il va avouer la relation sexuelle, sa réputation sera ternie et puis c'est fini. Et elle ne s'est pas limitée à ça. Parce que la dame d'Aïkhadindiaï a affirmé qu'elle l'avait trouvé à la session de recherche pour la menacer de changer sa version. Nous pouvons y ajouter Macky lui-même. Parce que si vous observez bien, tous ceux qui ont refusé de participer au complot ont été sanctionnés. Le capitaine Touré a été sanctionné. Euh, le général Tin a été sanctionné. des chef dont on parle a dû quitter la gendarmerie. Ainsi de suite. Mais tous ceux qui ont accepté de collaborer, le général Moussa Fall a été promu. Le commandant Abdoumbeng est passé colonel. Mourouma Mahmoud a été nommé directeur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Serigne Bassirou a été détaché au palais de la République. Et rappelez-vous qu'une dame a fait un témoignage public attestant d'un lien qui existerait entre Mademoiselle Agnissar et M. Macky Et c'est pourquoi nous avons nous l'avons ajouté également dans la liste des témoins. Voilà ce qui s'est passé hier au bureau des doyens des juges. Rien d'autre. Le doyen des juges m'a posé trois questions. La première, est-ce que je reconnais avoir fréquenté les lieux J'ai dit oui. À quelle date Je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas un robot pour... Et je n'ai pas un calepin, calepin du matin au soir pour dire à telle heure j'étais ici, etc. Ça, c'est peut-être euh, les enquêteurs de la police euh, qui font ce, genre de pratique. Il m'a dit, est-ce que je reconnais avoir entretenu des relations avec la dame Je lui ai dit, je ne vous permets pas de me poser de telles questions. Quand un dossier de complot est si manifeste, avec des preuves, et de l'autre côté, vous, vous n'avez aucune preuve, je ne vous permets pas, vu le statut que j'ai, parce que dans 16 mois, j'ambitionne d'être président de la République sénégalaise, je ne vous permets pas, monsieur le juge, de me poser ce genre de questions. Et de surcroît, c'est pas à moi de vous donner des preuves. Et troisième question, est-ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADN J'ai dit, mais vous, est-ce que ça va Là-dedans, est-ce que ça va Vous n'avez aucune preuve Vous ne me mettez absolument rien Vous voulez que moi, je donne mon sang à des comploteurs. Si vous dites avoir fait des prélèvements, qui les a fait, qui les a gardés Le commandant Abdoumbek, le procureur Passy-Roubi. Et vous me dites, moi, de donner mon sang pour qu'on aille comparer avec ce que ces gens-là ont fait. Votre dossier, maintenant, se résume à une histoire de sang. Moi, mon sang, là, Sonko Bankirankoli, vous ne l'aurez jamais. Si le dossier se résume à ça, il est terminé que chacun va à ses occupations. Mais je ai dit, si vous êtes conséquent avec vous, vous devez poursuivre vos investigations sur la théorie du complot. C'est même plus une théorie, sur la réalité du complot. Et si vous êtes courageux, vous irez loin. Et je lui ai rappelé la jurisprudence du Watergate aux États-Unis, qui a pris, coûté au président Nixon son deuxième mandat. Parce que le parti qui était au pouvoir avait comploter contre son opposition en mettant un système d'écoute au niveau de leur siège et ailleurs. Quand ça a été découvert, une enquête a été menée et grâce à la détermination du juge qui a refusé de laisser tomber. Ça s'est passé avant le second mandat de Nixon. Le juge a continué, Nixon est allé en campagne, il a eu un second mandat, le juge n'a pas lâché. Et il a fallu mettre en place une commission sénatoriale cette commission a conclu à la culpabilité de Nixon et à sa destitution. Quand on met tous les moyens d'un État pour comploter contre une contre un opposant, cela est une haute trahison de la part de ce régime. Mais je sais qu'il n'aura pas le courage d'aller si loin. Et c'est pourquoi, pour terminer, nous avons demandé au juge si vraiment il veut une investigation digne de ce nom de convoquer le général Moussa Fall et de l'entendre sur ses agissements, de convoquer le commandant Abdul devenu colonel, de convoquer le dénommé M. Signas, qui a déclaré publiquement avoir des preuves, et il en avait sorti au moins une, le fameux audio euh, qui mettait en conversation Mamour Diallo et Agissa. de convoquer M. Mamadou Mamour Diallo, apparemment le cerveau même de tout ce qui s'est passé, de convoquer Maître Gabisso et Giorgiani. d'entendre également le capitaine Omar Touré. S'il ne le fait pas, il n'a pas instruit. S'il ne le fait pas, il n'a pas instruit ce dossier. Certes, il a posé beaucoup d'actes à décharge, mais nous, on ne peut pas nous endormir. Si la consigne qu'il a reçue de Macky Sall, c'est dans tous les cas de renvoyer à un procès. Il peut poser des actes qui donneraient à penser qu'il instruit à décharge. L'important pour eux, c'est qu'on finish, on parle, on renvoie vers un procès. Et j'ai dit à ce doyen des juges que je n'ai aucune raison de lui faire confiance. Parce que il avait posé des actes sur ce dossier avant qu'il ne lui soit confié. Rappelez-vous qu'au mois de février, dès que cette affaire a éclaté, il avait partagé sur sa page Facebook un article tendancieux à charge contre moi, écrit par un militant de l'APR vivant en France qui se trouve être son parent son beau-frère même. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un juge qui a posé cet acte déjà Je lui ai dit, monsieur le juge, nous n'ignorons pas vos liens avec beaucoup de portes de la République. Nous savons qu'il est très proche d'Aïssa Tatalsal, qui nous avait accusés de tous les noms, qui avait fait des courriers à tous nos, toutes nos ambassades à l'étranger pour leur demander de me dépeindre en diable. Et c'est elle qui avait sorti le terme de force occulte, dont elle est seule à connaître. Ils sont très proches et le juge Maham Diallo lui a même donné le nom d'une de ses filles. Nous connaissons ses relations avec les Ablaï Diallo, les Farbangom. Je ne veux pas parler d'ethnie, ni de Netukubandou, mais nous connaissons tout. Mais nous savons surtout les pressions qu'il subit et quelquefois même les menaces. Je lui ai rappelé que son prédécesseur, M. Sambassal, au dernier jour de gestion de ce dossier au mois de mars, avait confié qu'il avait peur pour sa vie. Mais il avait dit qu'il avait plus peur de l'État que des manifestants. C'est assez significatif. Et il a préféré quitter chez lui pour aller loger ses un avocat en ville. Nous savons que lui-même subit les mêmes pressions et qu'il a peur il aurait avoué à demi-mot. Mais quelle que soit la situation, il doit savoir que le peuple n'acceptera plus certaines choses. Lui comme tous les magistrats. À chaque fois que ce pays a brûlé, c'est parti d'un magistrat ou d'un groupe de magistrats. À chaque fois. N'eût été ça, nous sommes le pays le plus paisible. Que les magistrats disent le droit, rien que le droit mais des magistrats qui s'aplatissent devant l'exécutif. Des magistrats qui, même face à l'évidence, suivent au droit et l'œil ce que, ce que, l'exécutif leur demande. Et ces magistrats-là qui posent les problèmes. C'est les manipulations de Serigne Bassirou Gueye et, autres qui ont coûté 14 morts au Sénégal en, en 2021. Et cela ne doit plus se reproduire. Et c'est pourquoi nous n'accepterons plus cela. Et cela, je l'ai dit également aux juges, ce ne sont pas des menaces. Voilà ce qui s'est passé hier au bureau du et des juges. Il n'y a rien d'autre. J'ai été exhaustif. Rien d'autre ne s'est passé. Les petites histoires mystiques, etc., ça c'est anecdotique. C'est pour amuser la galerie. Voilà, messieurs et dames de la presse. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Allez-y rapidement. Qui a... Allez-y, monsieur Jong. les avoir eu en face à face avec les juifs, euh, une confrontation avec Anissa n'est pas exclue, elle vous prête une confrontation avec Anissa si le magistrat insulte le gouvernement. Monsieur, vous posez une question évidente. Vous avez même la réponse vous-même. Je crois qu'il faut poser, bien poser les questions. La procédure relève du juge et pas de moi. C'est le juge qui va décider des actes qu'il pose. Nous, on est à la disposition de la justice. Donc, c'est des questions qui se répondent d'elles-mêmes. La deuxième chose, je n'ai jamais demandé un procès. Soit vous connaissez la procédure, vous ne la connaissez pas. On est à la phase instruction. Si le juge instructeur décide qu'il y a non-lieu, on ne va pas en procès. S'il décide qu'on va en procès, on va en procès. Donc, ne me dites pas que vous avez toujours demandé un procès. Merci. la le journalistes, si vous n'avez pas de questions, on arrête. c'est impertinent. On vient de répondre à ça, vous dites c'est la même question. Allez-y la France, la Chine, la Russie et même la Turquie en Afrique. Est-ce que voir ça comme M. Ousmane à une véritable culture des traditions au Sénégal une fois que vous serez au pouvoir La deuxième question. La deuxième question, le président Macky a demandé à son ministre de la Justice de voir les modalités de l'élaboration d'une loi d'amnistie. beaucoup pensent que cette loi pourrait permettre à votre ami Khalifa Sall est Karim Wade de se présenter à la présidentielle de 2024. Quelle serait la position de Pastef, euh, les, euh, les, députés de Pastef, si jamais cette loi arrive à l'Assemblée nationale Merci. Merci Madame. Vous posez des questions de géopolitique. Euh, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de l'être, mais il faut comprendre qu'il y a des séquences dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments la lutte d'influence, elle est liée aux États. C'est ça l'histoire de l'humanité. Depuis les royaumes, avant même les royaumes, depuis les tribus, chaque groupe tente d'étendre son influence sur les autres. Il y a maintenant des séquences, il y a des séquences plus ou moins agitées qui peuvent aller d'une sorte de guerre froide à des guerres physiques sur le terrain, et il y a des périodes plus ou moins d'accalmie. Nous étions sortis d'une période plus ou moins d'accalmie avec des soubresauts. Depuis la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale jusqu'à présent, on a connu peut-être la guerre d'Irak, on a connu euh, la guerre au Vietnam, on a connu la guerre en Syrie, etc. Mais c'était concentré quelque part et ça n'avait pas pris un certain nombre de, une certaine importance. Là, on est dans une phase beaucoup plus chahutée parce que elle oppose les blocs qui s'étaient opposés dans la guerre froide. Vous avez la Russie, qui est l'émanation de l'URSS, vous avez la Chine, donc le bloc communiste, et de l'autre côté, vous avez le monde occidental. Cela nous amène à la situation que nous connaissons. Guerre sur le territoire européen, on pensait que c'était révolu. Menace de guerre en Asie, aussi bien entre les deux Corées qu'entre la Chine et Taïwan, ce qui impliquerait certainement les États-Unis. Menace de guerre en Asie euh, orientale, entre l'Iran notamment et l'Arabie saoudite. Évidemment, cela rend le monde beaucoup plus incertain. Et au-delà de ça, il y a la guerre d'influence économique quelle est notre position Les Africains doivent assumer leur destin. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit toujours être sous le couvert de quelqu'un. Les gens pensent que nous sommes contre la France. Le débat ne se pose pas comme ça. Nous voulons avoir des relations d'égal à égal, équilibrées, équitables avec tout le monde. Nous n'allons pas quitter une domination pour accepter une autre. Quand je vois nos frères burkinabés faire, en cas sortir pour manifester leur satisfaction après un coup d'État, porter le drapeau russe, je dis, il y a un problème. On ne remplace pas la France par la Russie. On veut traiter avec tout le monde d'égal à égal. Et on veut surtout être libre et digne. Mais l'Africain pense toujours qu'il faut qu'il soit sous le couvert de quelqu'un. Nous ne remplaçons pas la France par la Chine ou par les États-Unis. Nous voulons traiter librement, équitablement avec tout le monde. Et nous n'accepterons aucune domination. Parce qu'on, souvent, quand on parle de ça, les gens ciblent la France parce qu'on a une histoire coloniale. Mais savez-vous que certaines nouvelles puissances ont des pratiques beaucoup plus nocives à notre endroit que la France Vous le savez quand des puissances viennent signer avec nous, nous prêtent de l'argent, nous imposent leur entreprise, ne payent pas l'impôt, même l'eau qu'ils boivent, ils, ils amènent ça de chez eux. Et pire encore, gagent la dette qu'ils laissent ici, sur nos infrastructures. Si vous ne payez pas, je prends le port. Si vous ne payez pas, je prends telle chose. Ces pratiques sont beaucoup plus dangereuses que ce qu'on crée avec la France. Et donc, nous, notre ligne, c'est la ligne de la souveraineté. Ce n'est pas une ligne de changer une domination par une autre, un complexe par un autre complexe. Je ne vais pas développer trop longtemps. Pour la seconde question, notre position a toujours été très claire. Nous réclamons l'organisation d'une élection présidentielle en 2024 libre, transparente, démocratique, à laquelle participeraient tous les acteurs politiques qui remplissent les conditions. Donc, à l'exclusion de Macky Sall, qui ne remplit pas la condition. Et qui ont été, dont certains ont été empêchés par des manipulations judiciaires pour les écarter de la course. Et c'est pourquoi nous n'avons même pas attendu ça. Nous, nous avons instruit nos députés de préparer un projet de loi pour la modification des articles L29, je crois, L30, pour régler la question de l'éligibilité. Et des juristes sont en train de travailler dans ça. Lorsque nous travaillons pour mettre en place notre coalition, c'est moi-même qui me suis levé pour dire il faut qu'on inscrive dans la charte l'amnistie obligatoire pour Khalifa Sall et Karim Nos amis du PDS ont dit non nous, on n'est pas intéressé par une amnistie. Tout ce qu'on veut, c'est la révision du procès et la modification des dispositions du code électoral, et cela suffira. Mais nous, dans notre charte à Yewi Askanui, on a inscrit l'amnistie. Vous savez, moi, je ne triche pas en politique. je n'ai pas peur d'adversaires politiques. Je fais mon travail sur le terrain et je laisse le reste au Seigneur qui fait passer son choix par le peuple sénégalais. Nous sommes arrivés là où nous sommes. Nous ne devons quasiment rien à personne. Donc je n'ai pas peur d'adversaires politiques. A fortiori quand c'est des partenaires politiques. Le président Khalifa Sall, tout le monde connaît nos relations. Donc, les gens qui essaient de faire la confusion, si ces gens-là reviennent, ça ne fait pas l'affaire de Sonko. Absolument pas. Moi, je fais mon travail. Nous savons d'où nous sommes venus. Nous savons le chemin que nous avons parcouru. Nous savons où nous en sommes aujourd'hui. Et nous sommes convaincus d'avoir tous les atouts pour gagner la prochaine élection présidentielle. Donc, je ne me focalise pas sur tel ou tel adversaire. Voilà, je vous remercie. Prochaine question. Je suis Père Khalidjian de l'Afrique. 7. Voilà, par rapport au dossier, en fait, euh, nous avons constaté que depuis le début du dossier, vous faites allusion à un complot. Est-ce que vous croyez que actuellement, ainsi que votre pool d'avocats, vous disposerez euh, suffisamment de preuves parce qu'on laissait en matière de justice euh, la preuve incombe au demandeur au cas où vous auriez obtenu le non-lieu ah, pour la canalisable et que vous pourriez entamer une procédure pour véritablement élucider le complot, est-ce que vous disposez suffisamment de preuves pour véritablement pouvoir obtenir bien de cause La deuxième, 14 euh, personnes ont été tuées lors des événements de mars 2021. Vous avez un groupe d'avocats qui se compte en dizaines, pour ne pas dire euh, euh, donc 20, avocats. Donc, aujourd'hui, est-ce que Ousmane Sonko en personne va faire euh, la même chose pour véritablement avoir des avocats pour qu'un procès soit très rapidement mis en place pour élucider donc, la mort de ces 14 jeunes qui est toujours pas donc Merci. Je, je, pense que... Non, non, non, non, attendez. Je, je pense que je, pense que M. Sen, bien, bien. Euh, votre première question, si je me rappelle bien, a, trait à aux preuve. Je crois avoir suffisamment déroulé sur cette question. Franchement, je vous aime bien, <laughs> M. Dien, mais et non seulement j'ai suffisamment déroulé sur cette question, mais j'ai dit, je n'attends même pas le non-lieu, puisque je vous dis que je vais déposer un recours contre Seigneur Bassirou Par rapport aux accusations, je ne peux entamer, une procédure que lorsque celle-là sera achevée. C'est pourquoi on ne l'a pas fait. Mais par rapport à Seigneur je vous dis que dès lundi, je déposerai une plainte. Donc je crois avoir répondu largement à cette question. Pour les 14 morts, j'aimerais bien de temps en temps que les journalistes puissent accéder à Macky Sall pour lui poser ces questions. savez, moi, je ne gère pas l'État. Je ne peux pas contraindre la justice à ouvrir un dossier, mais on l'a demandé. On a déposé dans le cadre du M2D. on a saisi la justice internationale également. Et vous avez vu la directrice d'Amnesty quand elle est passée l'autre jour. C'est à l'État. Et l'État avait annoncé une enquête. Mais demandez à l'État où se trouve l'enquête. Moi, je ne peux pas faire l'enquête. Les questions, il faut les poser aux vrais acteurs. C'est la justice qui doit traiter le dossier. C'est l'État qui doit ouvrir une enquête. L'État ne fait pas, la justice ne fait pas. Que voudriez-vous que moi je puisse faire Mais absolument rien. Alors, pour le reste, euh, c'est les deux questions que vous avez posées. Voilà. Je prends une dernière question parce qu'il est l'heure de la prière. Et il faut changer, il faut changer. Il faut changer de côté. Est-ce que vous ne pensez pas que le dossier Isa qu'il soit vidé avant cette échéance Ou ce n'est pas vidé, est-ce qu'il ne constitue pas quand même un euh, talon ou bien une chape de plan qui vous empêcherait d'être euh, président de la Mais comment ça Comment ça <laughs> Mais, mais monsieur, c'est monsieur Monsieur Barry, ce dossier était là quand j'allais aux élections législatives. Il était là quand j'allais aux élections locales. À la limite, ce dossier m'a renforcé, moi. C'est un dossier qui nous renforce et qui nous a beaucoup renforcé. Je me demande, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas rendre grâce à Dieu qu'il y ait eu ce dossier? Ce qui est constant, c'est que je serai candidat en 2024, Inch'Allah. Et j'ai très bon espoir d'être le prochain président de la République. C'est tout ce Vous posez en français, je réponds en français. Monsieur, vous posez une question répondue. Euh, vous avez répondu à ça, monsieur. Soit vous n'écoutez pas, soit vous... Voilà. On a, répondu à tout. Il, il est l'heure de la prière. Merci beaucoup. Thank you.